Nous sommes euh, vendredi 26 février 2021. Bonsoir à toutes euh, et à tous euh, et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalango consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nigérienne. Ce numéro du Forum de la presse de Studio Kalangou, Actualité oblige, sera exclusivement consacré au processus électoral en cours au Niger. Nous suivons d'abord avec euh, nos confrères des analyses sur le bilan de la campagne électorale du scrutin du 21 février 2021. En deuxième partie, leur constat sur euh, les opérations de vote le jour du scrutin. Et en dernière partie, la proclamation officielle des résultats globaux provisoires de cette élection présidentielle deuxième tour à l'issue de laquelle euh, le candidat du pouvoir, Bazoum Mohamed, a été proclamé vainqueur avec 55,75% euh, des suffrages exprimés valables contre 44,25% pour son challenger Mohamed Ousmane, candidat de l'opposition politique. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Elagi Mohamedou Souleyman du journal en ligne Niger Inter. Maïmoune Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir. À la modération de ce forum, Michel Deji. Parlons tout d'abord de la campagne électorale de cette élection présidentielle deuxième tour euh, au Niger, conformément au code euh, électoral euh, nigérien en vigueur qui dispose à son article 90 qu'en cas de balotage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close l'avant-veille du second tour à minuit. Cette euh, proclamation des résultats définitifs euh, du premier tour par la Cour constitutionnelle étant intervenue au soir du samedi 30 janvier 2021. C'est le dimanche 31 euh, janvier 2021 à 0 heure qu'a donc euh, légalement débuté cette campagne jusqu'au vendredi 19 février 2021 à minuit. Mais il a fallu attendre le dimanche 7 euh, février 2021 pour que les deux coalitions en compétition lancent officiellement de façon simultanée leur campagne. Maïmoun Diado, quelle analyse faites-vous de cette campagne L'analyse que je fais donc de cette campagne, c'est que, comme euh, tu l'as si bien dit, il a fallu le 7 euh, février pour que les deux candidats lancent officiellement donc la campagne. C'est parce que tout simplement, ces deux candidats étaient euh, obligés donc euh, d'attendre donc les alliances mhm. des deux autres candidats arrivés troisième et quatrième mhm. donc euh, du premier tour. Ça veut dire le MNSD et le Jamouria, mhm. le parti Jamouria. Donc c'était justement ça, c'était ça leur inquiétude. Où est-ce que les deux candidats vont se balancer et l'autre l'autre camp de l'opposition aussi attendait impatiemment euh, donc, à l'issue de leur ralliement. Mmh. Donc, euh, ils ne pouvaient euh, que euh, lancer la campagne. Mmh. Les gens voyaient, c'est vrai que la campagne n'était pas lancée alors que la Cour constitutionnelle avait déjà validé les résultats. Donc, il fallait depuis le, 31 janvier. Et je pense mmh. que c'est juste qu'il fallait attendre donc les alliances. Il ne suffit pas de lancer une campagne et sans connaître également ceux qui seront avec toi pour t'appuyer. Et il fallait également, lors du lancement de cette campagne qu'ils euh, se retrouvent avec les alliés, avec ceux qui ont décidé de les accompagner, mmh. pour que ça soit aussi un plus euh, au, regard donc euh, au regard donc de la population. Mmh. C'est comme vous avez vu l'autre candidat a fait son lancement au niveau de Radisson, euh, au niveau de Mahatma Gandhi. Pour euh, ce qui est du candidat du PNDS Et, l'opposition était, à Tilabiri. Le même jour. Donc, le même jour. Mhm. Donc, euh, c'était vraiment un signal fort qu'il fallait lancer des deux côtés. Et ce, tous se sont retrouvés avec les alliés malheureusement, l'opposition avait voulu que euh, les deux candidats, les deux autres candidats puissent être avec eux. Albadé mais, et, Mais en mm. lançant leur campagne au niveau de Tilabiri, c'est justement pour aller euh, conquérir l'électorat de Tilabiri, pour leur mm-hmm. montrer que Seyni devrait être avec eux plutôt que d'être avec le pouvoir. Et aujourd'hui, nous, nous sommes devant vous. C'est pour que vous puissiez vraiment nous accompagner, nous aider à aller vers le changement. Donc, je trouve que c'était comme ça. Moi, mon mm. analyse, l'analyse que je peux donner par rapport à ça, et parce que les gens voient que y a, euh, la campagne était euh, vraiment au statico, parce que c'est Niamey. Mm-hmm. Dans les autres grandes villes, euh, la campagne était lancée autrement. Donc, il fallait justement attendre le lancement de ces deux bords officiellement, mm-hmm. en tout cas pour aller. C'est vrai, il y a eu, euh, selon les expressions des leaders, des campagnes euh, de proximité également, en dehors des campagnes qui avaient été faites avec euh, les leaders qui étaient ensemble pendant oh, la période. Et là, Mohamedou Suleiman, à votre niveau, quel bilan faites-vous de ce, cette période de campagne pour le deuxième tour de la présidentielle au Niger euh, merci bien, Michel. Euh, donc, euh, j'ai constaté avec vous, dans ce pays, il y a eu quand même les élections générales, il y a eu les locales, les législatives couplées au présidentiel premier tour. donc, tout s'est bien passé de façon générale. donc, on est arrivé à une situation où maintenant il y a eu deux, candidats qui allaient donc s'affronter mm-hmm. pour donc la finale. Euh, il se trouve que justement euh, le jeu c'est d'abord euh, justement les alliances. Toute l'attention, en tout cas, toute la stratégie des uns et des autres était vraiment liée à la validation de la Cour constitutionnelle parce qu'en réalité, les alliés qui sont attendus donc, ne peuvent pas se rallier Mhm. En tout cas, tant que la Cour n'a pas validé les, donc les résultats. Bien qu'il y ait eu des euh, cas de déclaration. Euh, mais bien, sûr, bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses. C'est euh, mhm. vrai que c'est fait dans tous les sens. Hein. Mhm. donc il y a eu des gens effectivement qui étaient impatients, qui ont dit leur. Mais ça se comprend aussi, souvent c'est des de, situations comme ça, le jeu d'intérêt, vous voyez mm. ce, mm. que, je veux dire. Mais euh, maintenant, euh, comme vous l'avez dit, il y avait comme qui dirait, euh, en tout cas, des faiseurs de roi, c'est toujours, comme l'a dit Memouna, les deux, al badei et Sen, en tout cas, l'attente était forte. parce que tout se passait comme si chacun se disait que là où ces deux-là, en tout cas, s'ils vont, en tout cas, parce que suivre donc un candidat, on pense que véritablement, ça peut peser lourd, en tout cas dans le sens, euh, euh, en tout cas, de permettre aux candidats qui a leur soutien donc euh, d'être élus. ça s'est passé, donc finalement, on est allé, donc on a laissé cette campagne. Mais je vous dis très sincèrement, ce que moi, qui m'a franchement beaucoup, beaucoup déçu, c'est la façon dont la campagne a été tenue et la situation qu'on vit actuellement, effectivement, c'est les conséquences justement de la façon dont la campagne a été tenue. Vous pensez euh, qu'il y a eu des propos qu'il y a eu vraiment des propos qu'il ne, fallait pas ne fallait pas tenir. Il y a que, en toute sincérité, Dieu m'est témoin. Moi personnellement, en tout cas, en tant que journaliste, je veux dire mm-hmm. analyste, mm-hmm. je ne suis pas surpris que cela pourrait effectivement arriver. À partir du moment où euh, on a utilisé et de moins franchement, par là, illégaux pour faire la campagne, euh, vous voyez ce qui est arrivé est tout à fait normal. Euh, donc vraiment, euh, je me retiens à dire certaines choses vraiment terre à terre, mais je dis que véritablement, moi, je pense que nous, on fait la politique ici au Niger et ailleurs, mais vraiment les hommes politiques ont la responsabilité de respecter vraiment les normes, les règles de la politique. Parce que tout simplement, le code électoral est très clair. Euh, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, si pendant la campagne, les gens étaient arrêtés, ça allait perturber le cours des élections. On ne pouvait pas le faire tout simplement, mais véritablement, tout le monde le sait, les gens ont violé le code électoral, en tout cas avec des propos indécents, et il fallait faire avec. Donc moi, je suis en train de dire que véritablement, euh, mon analyse, et certainement beaucoup de gens la partagent avec moi, c'est que c'est justement pendant la campagne que les gens vraiment s'étaient très bas. Euh, et effectivement, cela nous a amené dans une situation aujourd'hui qui est très, très difficile à gérer. C'est vrai, il y a quelques jours, il faut le souligner, le procureur de la République, euh, qui est au niveau du tribunal de grande instance, en classe de Niamey, a sorti un communiqué de presse pour euh, demander donc euh, justement à ce que la loi soit respectée. Et il avait justement rappelé qu'il y a des propos qui avaient été tenus qui sont préjudiciables à la paix sociale et que ces propos pouvaient être à la base de poursuites euh, judiciaires. Merci, on vous a bien compris au CNSA. À votre niveau, selon vous, quelles ont été les forces et les faiblesses de cette campagne électorale Chacun est allé avec des discours incendiaires sur le terrain. Des deux côtés. De part et d'autre, bien sûr. Ce n'est pas d'un seul côté comme n'a pas démarré avec la, campagne, la campagne, la deux, campagne deuxième tour. C'était depuis la campagne premier tour que tout ça là, mhm. c'était perceptible. Mais il n'y a pas eu de réaction, Faut pour dire il faut arrêter. Il faut aller vraiment de manière à ce que le climat ne soit pas tendu après. Mhm. C'est ça en fait la responsabilité. Et quand les gens, on ferme les yeux, on voit les choses arriver. Et à la dernière minute, on dit non, voilà. À ce moment, on sort, on dit voilà. non, on va sévir contre tout ce qui. Non. Et où on fait la démocratie, où on fait autre chose. Parce que c'est pas parce qu'on dit démocratie, les gens vont aller voter. C'est pas le vote. Hein. C'est le respect des principes. C'est ça le plus important à mon sens. Dans tout pays où il y a la paix, où il y a tout, c'est que parce que les acteurs doivent se dire, on doit s'entendre on doit aller sur des bases consensuelles. Ça veut dire qu'il y a des, règles qui ont été biaisées avant même la campagne. En amont, Ne soyez pas surpris. Eh, Certains aspects, par exemple. regarde, les modifications des textes, les textes électoraux, les documents électoraux, tout ça, quand vous le faites, faites-le avec les autres mhm. pour que ce soit consensuel. Vous parlez déjà à ce niveau donc euh, de la rencontre depuis le CNDP. Tu as parlé de processus. Mhm. Quand tu as parlé de processus, le processus là, c'est depuis. Quand il y a des modifications, il faut intégrer tout le monde. Mhm. On est d'accord avec ça, on doit modifier ce texte-là, cette tactique là on doit le modifier pour prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Mais considérer que l'autre, qu'il soit là ou pas, je peux modifier. Mhm. Et pour avancer. Non, il ne s'agit pas d'avancer, il s'agit d'avancer en créant les conditions pour que après ça ne débouche pas sur des actes de violence tel qu'on est en train de constater ça aujourd'hui. Autrement dit, vous soutenez que le code électoral n'a pas été Ce Ce n'est pas simplement le code, la mise en place des institutions, tout ça, le CENI, tout ça, on a vu la qu'on de la CENI. Jusqu'à la fin, on a vu, c'est à la dernière minute, les opposants, ils ont décidé, j'ai dit, mais il fallait aller dès le départ. Il fallait aller dès le départ, vous asseoir pour dire, c'est pas à la fin, au deuxième tour que vous allez aller vous asseoir, pour dire que vous allez modifier les choses. Est-ce que tu comprends C'est ça, en fait, l'enjeu. Où je vais où je vais me donner les moyens pour que dans les conditions où je vais aller faire là, je me donne les moyens pour qu'on ne puisse pas faire autre chose que ce que la volonté du peuple, ce que le peuple a décidé de faire. Est-ce qu'on a assisté à ça On parle de démocratie, mais non, malheureusement, je suis désolé pour moi. Si on vous comprend bien, vous pensez que les conditions n'étaient pas réunies avant la campagne, c'est bien cela la démocratie, là, c'est quoi C'est quoi l'important de la démocratie C'est que la démocratie suppose quoi C'est que on donne la possibilité à un camp de pouvoir gérer l'État. Et on donne la possibilité au peuple de sanctionner éventuellement si la personne ou le camp a mal géré. Mais quand on ne tient pas compte de ce souci-là, ou on considère que non, voilà comment les choses doivent se passer, ou mhm. ceci, cela. Mais il faut s'attendre à ce genre de choses. Il faut noter qu'après cette campagne électorale de l'élection présidentielle deuxième tour euh, close le vendredi 19 euh, février 2021 à minuit. Ce fut conformément à l'article 90 du Code électoral le dimanche 21 février 2021, le jour du scrutin un peu plus de 7,4 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour cette euh, élection qui a opposé le candidat Mohamed Bazoum du parti au pouvoir PNS Tareya, soutenu par la coalition Bazoum 2021 et allié au candidat Mohamed Ousmane, ancien président de la République, candidat du RDR Tchangi, soutenu par la coalition pour une alternance politique CAP 2021. Elhaj Mohamed Suleiman, quel bilan faut-il tirer du déroulement des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national euh, Je constate que des élections, la journée du dimanche, euh, tout s'est bien passé en dehors de l'incident ou les incidents, euh, le, les agents électoraux qui ont, dont le véhicule était tombé, sur, à fait, à Dargol, euh, quelques perturbations isolées. Mm. Mais de façon générale, euh, euh, les Nigériens ont voté et immédiatement, la CENI, comme cette fois-ci, ces deux candidats, et a priori, on sent que justement, ça allait être un peu plus souple parce qu'on n'a pas 30 candidats cette fois-ci, on n'a que deux. Mm-hmm où véritablement, euh, vraiment, dans, le document, ça, va vite. Et on a vu justement, quand on compare aux, premier aux premières élections, mhm. vraiment, ça a été très vite. Et déjà, la CENI a immédiatement commencé donc, à, à, rendre, donc, à dépouiller donc, et à transmettre, à publier donc, voir les, donc, les médias. Mais je me dis que euh, en tout cas, à partir de ce que j'ai observé, et j'ai aussi écouté les différents observateurs on n'a pas notifié vraiment des choses graves qui pourraient entacher la régularité du scrutin. Ça, je m'en tiens à là, euh, et je pense que de ce point de vue-là, c'est l'opinion générale, en tout cas, que en termes d'observation, quand vous entendez en tout cas les gens se prononcer, on dit que véritablement, on déplore les, incidents qu'il y a eu donc, à Dorgol. Et maintenant, pour, le reste, et là pour moi, c'est, euh, il y a des postures donc, des, des différents bords, donc l'opposition mhm. et, la, et, et la majorité. Euh, je veux dire que euh, la CAP 2021 ou aussi la coalition Bazoum 2021, il y a chacun sa façon de voir euh, les choses, mais je me rends compte que, en tout cas, la CENI a régulièrement fait son travail, elle a, mhm. proclamé les, résultats. On reviendra justement sur certains aspects quand nous allons avancer dans ce forum. Maïmoun Diado, quel euh, commentaire faites-vous à votre niveau sur euh, le déroulement de ce scrutin euh, qui a la particularité, il faut le souligner, de permettre au pays d'avoir une alternance démocratique, c'est-à-dire deux présidents démocratiquement élus qui doivent se succéder euh, il faut d'abord euh, saluer la maturité d'engagement du peuple nigérien. Parce que quand on regarde le taux de participation, c'est quand même extraordinaire. Les gens sont sortis, se sont mobilisés, ils sont partis voter dans la tranquillité et la sérénité. Mhm. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on pensait que ça allait être le jour des élections même, mhm. que peut-être que ça, allait, euh, on allait assister à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mais Dieu merci quand même, les élections se sont bien déroulées. Euh, à part justement les incidents que nous avons, tout le monde a vu avec euh, l'accident malheureux des agents électoraux, bien sûr, euh, de la CENI. Mm. mais sinon, pour ce qui est, parce que moi, je, ne peux dire que ce que j'ai vu au niveau donc, de la région du Niamey, quelques bureaux de vote que j'ai eu à sillonner, mm. j'ai vu que pratiquement l'heure d'ouverture a été respectée et l'heure de la fermeture également a été respectée pour certains bureaux. Il y a eu les 11 heures de vote. 11 heures de vote. Il y a eu la participation très massive des femmes et des jeunes. Ça également, c'est un constat qu'il ne faut pas oublier. Euh, ça veut dire que euh, tout simplement, euh, quand on regarde, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, et l'appel des uns et des autres à la calmie pour que ces élections se passent ont été bien entendus. Et euh, comme vous l'avez également euh, suivi, les, les, observateurs internationaux, mhm. tous euh, ont, bien dit, bien indiqué qu'il n'y a pas eu d'incident majeur qui peuvent entacher donc, la régularité, donc, du scrutin. Mhm. Donc je me dis que c'est à féliciter, c'est à féliciter le peuple nigérien, au-delà donc des deux candidats aussi, parce que euh, de, par tout ce que nous avons entendu lors des campagnes, on euh, pensait vraiment réellement que le jour du scrutin, il n'y aura pas, euh, en tout cas, cet engouement acharné donc de cette population à aller voter. Mmh. Mais Dieu merci quand même, ça s'est bien passé. Et c'est vraiment, il faut s'en tenir à ça. Nous, c'est ce que nous avons vu et c'est ce que moi j'ai vu. Que je ne peux que dire ce que j'ai vu. Je ne peux pas augmenter plus ni moi aussi. Mmh. Alors, félicitations donc à nous tous. Merci à vous. C'est vrai, il y a eu donc euh, le calme et la sérénité pendant le déroulement du scrutin au Sénissa. La plupart des observateurs euh, nationaux et internationaux de ce scrutin ont justement eu à saluer son bon déroulement dans leur déclaration préliminaire. Peut-on parler de prouesse à ce niveau d'abord, peut-être moi, j'ai plus foi en l'observation des nationaux et de ceux-là qui viennent pour aller vivre dans des hôtels pendant des jours. Ils envoient quelques éléments par-ci, par-là. Les fiches sont déjà là, on sait comment les remplir. à la fin, on dit globalement, hmm. tout se bien déroulé. Ils vont, ils vont faire le rapport immédiatement, tout est déjà fait. Je sais de quoi je parle. Hmm. Je ne parle pas dans le vent, je sais de quoi je parle. Les fiches, tout est fait. On a envoyé quelques gens par-ci, par-là. Ils sont venus en tourisme. On dit globalement les gens. Bien évidemment, globalement, il n'y a pas de violence. N'est-ce pas hmm. Il n'y a pas de violence parce que les gens, ils ne vont pas se rentrer dedans, ils ne vont pas s'entre-déchirer et tout et tout. Les bureaux de vote, il y a des bousculades souvent et tout et tout. Mais sinon, à l'occasion de ce deuxième tour, ça a été vraiment limpide parce que moi, à l'occasion du premier tour, j'ai mis quatre heures de temps avant de pouvoir voter. Hmm. Cette fois-ci, dès que je suis arrivé, je n'ai pas passé deux minutes devant le bureau de vote. Je n'ai trouvé d'ailleurs personne. Je suis rentré, j'ai voté, je suis retourné, j'ai blagué même avec les gens qui étaient dans le bureau de vote. C'est vrai, sur le bulletin, il n'y avait que deux candidats. C'est facile à choisir. C'est facile à choisir. Et puis bon, je ne sais pas, il y a eu une amélioration dans l'organisation. Mais, moi, j'ai dit, et je l'ai toujours dit, honnêtement, il faut qu'on s'organise nous-mêmes en matière d'élection mhm. pour éviter toute contestation toute violence. Et on est bien capable de le faire. Selon vous, dans le déroulement euh, des opérations de vote, qu'est-ce qui a bien marché Ce qui a bien marché, il y a eu une discipline. Les gens ont été disciplinés, les gens ont voté. Mhm. Mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Du point de vue de l'organisation, ça a bien marché. Il n'y a mhm. pas eu de bousculade un peu partout. Les bureaux ont fermé, ont ouvert, avec peut-être un léger retard de 30 minutes, une heure de temps. Mais sinon, globalement, partout, les gens ont voté. Moi, la dernière fois, j'ai dit, à l'occasion du premier tour, j'ai mis quatre trucs de temps pour pouvoir accéder au bureau de vote. Hmm. Cette fois-ci, je n'ai pas mis 5 minutes, 10 minutes pour finir tout. Ça, c'est un point positif. Hmm. C'était facile, il y avait deux candidats. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché Il y a eu par-ci, par-là, quelques problèmes, en tout cas d'ordre organisationnel, qui ont été remontés à l'intérieur du pays. Mhm. Donc moi, j'ai eu 20. Il y a des problèmes où il n'y avait pas suffisamment de bulletins de euh, machin, de vote et tout et tout. Il y a cette histoire de... On a dit que des bulletins euh, des bulletins de vote frauduleux. Des faux, bulletins, des Au nombre de 1000 selon la CENI. Qu'on a découvert à, à et qui se sont. qu'on a. Non, moi, je veux bien qu'on dise. Parce que la CENI n'est pas allée en profondeur pour dire qui, a fait le colisage. Ce n'est pas ici que le colisage a été fait. On peut savoir immédiatement à partir d'où le bulletin, le spécimen qui a été euh, remis à la CENI, on peut savoir d'où ça provient. Il faut aller jusqu'au bout pour dire comment ça s'est passé et jusqu'à comment s'appelle cette zone d'Agadez, cette région d'Agadez là. On, on dit aux gens, il faut faire. Moi, je dis, c'est bien, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'au bout pour dire comment c'est arrivé, qui a fait. On a dit c'est dans un pays voisin. Comment ça a pu, par quel mécanisme ce bulletin-là a pu, a, pu passer près de tout ça là. Vous pensez donc que la CENI doit faire euh, non, on ne doit pas plus juste de lumière par rapport des à choses, ça. Et puis après, les gens sont là. Il faut plus de lumière quand il y a des choses comme ça, non, il faut être transparent. D'autres aspects, On va faire des engagements, on va faire des investigations pour savoir. Après, mm. c'est fini. Les élections, c'est fini. Mm-hmm. Il faut on ne sait pas quelle quantité ce bulletin faux-là, ce faux bulletin-là qui a été. On ne sait même pas combien de, de, de, ont été déversés, ont été amenés dans le. Qui, sait mm-hmm. Est-ce que la CENI s'est préoccupée de ça depuis qu'on a annoncé Et le jour même de l'élection, hein, est-ce que ce sont. tout ça c'est des ratés. Hum. Moi, pour moi, en matière électorale, il faut être clair. Le colisage, c'est à partir de Niamey, où on achemine partout. Et ensuite, dans les zones les plus reculées, on sait. Il faut bien éclairer les gens. Quand on balance ce type d'informations, on ne se contente pas de balancer pour divertir. Quand on balance, on doit pouvoir se dire, ça veut dire qu'on dit parle de mille, avec précision un 1000. Hum. Alors, c'est sorti d'où peut-être tu sais d'où c'est sorti. Ce que vous pensez, c'est donc que la CENI doit faire. Euh, non, il faut aller jusqu'au bout par rapport pour dire à voilà celui qui a introduit ce bulletins-là. Il y a combien de quantités de ce bulletin Parce que l'électeur, lui, en brousse là, il ne peut pas savoir est-ce que ça c'est le vrai bulletin de la CENI ou bien c'est un bulletin faux mhm. qu'on a introduit dans le circuit. Est-ce qu'il peut le savoir mhm. Est-ce ben, qu'il y a d'autres aspects euh, qui ont attiré Moi, j'ai dit, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Parce qu'on balance comme ça, on dit, c'est un pays voisin, on ne dit pas le nom du pays. C'est des choses comme ça qui sont de nature à choquer. Parce que un des deux camps, c'est qui le camp C'est facile, non mhm. Celui qui a amené le bulletin pour présenter doit pouvoir dire, voilà D'où c'est parti. Peut-être que la CENI n'a pas voulu euh, qu'on fasse trop de polémiques. Non, non, non, le jour il fallait il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas soulever ça le jour du scrutin. Peut-être que la CENI ne voulait pas de polémique. Euh. S'il te plaît, on ne doit pas taire des choses comme ça mhm. en Vous, non. vous pensez donc qu'il faut plus de lumière Il euh, faut, il la transparence jusqu'au bout. Bien sûr, c'est bien compris. La CENI a été très précise. Elle a donné le nom des présumés auteurs. C'est une affaire euh, donc qui doit être Oui, euh, mais la CENI n'a pas dit le parti politique je les partis qui doit être en instruction parce que sont concernés. je pense que tout simplement, euh, à partir de ce moment-là, la justice doit être saisie, en tout cas pour savoir plus tard. En tout cas, c'est à nous de vérifier qu'est-ce qui est fait par rapport à ce dossier. Parce ce mm J'ai entendu aussi de l'autre côté les gens dire que non, c'est des spécimens que sont soit à l'épreuve pour sensibiliser les militants. Donc tout cela, vraiment, il va falloir maintenant descendre. Euh, donc, qu'est-ce qu'est-ce que les auteurs présumés ont, donné comme, comme, comme, comme, explication, comme élément de preuve pour se sauver Parce que sinon, c'est une infraction, il va être sanctionné. Il y aurait d'ailleurs eu des arrestations par rapport à ça. Maïmoun Diado, un mot rapidement pour tourner cette page. Euh, bon, je pense que, euh, comme l'a dit euh, l'autre, il faut plus de, lumière autour Donc, mhm. de cette affaire. Euh, la CENI ne peut pas aujourd'hui euh, avancer, c'est vrai, cette situation et laisser les Nigériens à leur fin. Parce mhm. qu'on a besoin plus d'informations. Les gens ont besoin au moins sur le nom du parti politique. Ça pourrait peut-être rassurer <laughs> certains euh, Nigériens par mhm. rapport à ça. Merci beaucoup. Parlons à présent des résultats globaux provisoires de ce scrutin présidentiel, deuxième tour proclamé dans l'après-midi du mardi dernier par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Et c'est le candidat du PNDS Tareya, Mohamed euh, Bazoum, qui a été proclamé vainqueur de cette élection avec 55,75% euh, des suffrages contre 44,25% pour Mohamed Ousmane du parti RDR Tchangi. La répartition des voix par candidat est de 2 millions.

Avant même l'annonce de ces résultats, l'opposition politique euh, nigérienne réunie au sein de la coalition pour une alternance politique CAP 2021 qui soutient la candidature de Mohamed Ousmane a rendu publique une déclaration de presse dans laquelle elle a déclaré que ces résultats ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple nigérien souverain, selon les mots de Falke Bacharou du RDR Tchandji qui a lu cette euh, déclaration. Mais Mundiado, quelle analyse par rapport à ces résultats et des violences euh, post-électorales qui sont issues de ces résultats que nous connaissons euh, Par rapport donc à ces résultats, comme tu viens de le dire à mhm. l'instant, que c'est 55,15% pour le candidat du PND, Dareya et 44,25% pour Maman Ousmane, mhm. le candidat de CAP 2021, donc, euh, qui a été proclamé, bien sûr, par la CENI. Mhm. Euh, une CENI qui est euh, dans ses droits euh, de proclamer ça juste après, bien sûr, euh, le décomptage. C'est vrai, seule la CENI, il faut le rappeler, est autorisée, à, proclamer, les résultats, provisoires, euh, de ces qui élections. doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Mais de l'autre côté, le même jour, mhm. le CAP 2021 était en conclave mhm. avec une déclaration qui était euh, la déclaration était attendue d'ailleurs, parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être une déclaration aussi. Mhm. Et la déclaration notifiait euh, tout simplement que euh, la CENI devrait sursoir au comptage mhm. des voix mhm. pour qu'il y ait lumière autour de certaines communes, de certaines régions. Donc c'était le contenu, si je me rappelle très bien, de cette déclaration. Euh, L'opposition qui a parlé de substitution de PV. Et voilà, il y avait 15, 15 communes. D'achat de conscience, de vol d'urne, etc. Qui, était, qui devraient être examinées mhm. euh, pour voir clair par rapport justement à ces, au comptage. Et vous avez vu également la réaction des jeunes, en mhm. fait. Parce que les jeunes qui étaient présents à cette déclaration n'avaient pas attendu la fin même de la déclaration. Mhm. Euh, ils ont tous tout de suite accouru donc dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Parce que pour eux, déjà, ils attendaient et aspiraient au changement. Et selon eux, si les leaders aujourd'hui ne peuvent pas sortir pour dire réellement qu'est-ce qu'ils attendent, donc euh, à propos donc de ces élections là parce mmh. qu'ils ont senti que en fait dès là-bas qu'il y a échec que l'opposition le Cap 2021 n'était pas le candidat euh, favori qui devrait passer, en tout cas être président, élu président. Mhm. Donc c'était vraiment la fougue autour donc, de ces jeunes-là, parce que ces jeunes, on ne pouvait pas les contenir, le CAP 21 ne pouvait pas les contenir à ce moment-là. Ils étaient vraiment déterminés sortir pour montrer vraiment leur mécontentement. Et juste, vous avez également suivi, juste et intervenu euh, aussitôt donc la proclamation de ces résultats par la CENI. Parce qu'il fallait également pour la CENI euh, proclamer les résultats pour qu'ils ne euh, soient pas, non pas à mesure de proclamer dans le temps donc mhm. ces, résultats. Parce que quand on finit les décomptages aussi, il faut rapidement proclamer. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les jeunes qui sont depuis avant-hier dans la rue, en train d'exprimer leur mécontentement. Mhm. Il faut essayer de... Depuis le jour de la proclamation, l'après-midi du mardi. Euh, voilà, il mhm. faut euh, surtout euh, essayer de voir qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à sortir ces jeunes-là. Mhm. Est-ce que ces jeunes sont manipulés par la politique, comme on le dit, parce que... Parce qu'officiellement, il n'y a pas eu de voix officiellement, appelant... il n'y a pas de voix appelant donc, à, la violence, à, la, manifestation. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont dans la rue, est-ce que c'est parce que tout simplement le candidat CAP 2021 n'a pas pu accéder, donc euh, n'a pas pu être euh, élu mm. euh, président, que ces gens sont dans la rue ou bien ces jeunes réclament autre chose que ça mm. Donc il faut il ne faut pas tout de suite voir également derrière ça la politique. Il ne faut pas prendre ça à la légère. À la légère aussi, parce que voilà. Compris. juste, euh, juste après la proclamation de ces résultats globaux provisoires, le candidat Mohamed Bazoum, annoncé vainqueur par la CENI, a félicité Mohamed Ousmane pour euh, le score euh, remarquable qu'il a réalisé, je le cite, avant d'ajouter qu'il compte sur euh, sa sagesse pour instaurer les conditions d'un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition et mettre fin aux tensions inutiles. Le candidat Mohamed Ousmane a annoncé 24 heures euh, après sa victoire selon les résultats en sa possession, a-t-il laissé entendre, tout en indiquant qu'il fera recours en annulation dans certaines zones pour que justice soit faite de Mohamed Soleiman, que faut-il faire pour un retour définitif au calme et à la sérénité pour le bonheur du peuple nigérian euh, Merci bien, vous l'avez dit, Maman Ousmane a dit qu'il va recourir par des moyens légaux. Mm-hmm. Et on se rend compte que les moyens illégaux ont précédé euh, la réaction de Maman Ousmane. Mm-hmm. Euh, bref, moi je dis que quand on regarde les résultats parce que les questions d'analyser les résultats, vous avez dit. Mm-hmm. Euh, il est important de se rappeler un peu les résultats du premier tour. Par exemple, Ottawa, où ça fait problème Ottawa, Bazoum a récolté plus de 600 000 voix au premier tour. Et on sait que la Jamhouria, où al est très fort, Ottawa, euh, menacé avec lui. Donc, mm. ça se comprend. Parce que tout simplement, il y a aussi dans l'élection au Niger des fiefs. Tawas, c'est le fief du PND Staraya. Ça, c'est incontestable. Donc, soyons sérieux. Regardez le score de Ousmane à Pourquoi aussi on ne se pose pas de questions que c'est aussi, euh, je veux dire, euh, très, très, en tout cas, abyssal, la, différence. On vous, On comprend bien. vous pensez que cette victoire est réelle pour Bazo euh, Mohamed et que les élections sont étaient euh, crédibles. mais que faut-il faire pour le retour de la calmie Voilà en fait le, discours. Mhm. Le discours, c'est de dire que le changement par tous les moyens. Mais non, la vérité, autant au premier tour, le discours des uns et des autres, il n'y a pas eu de coup KO parce qu'au Niger, on ne peut pas faire coup KO. Et tout le monde était d'accord que les alliances allaient déterminer euh, celui qui va gagner. Mhm. Donc, normalement, on n'est pas surpris. Le contraire était, aurait été plus surprenant. Si c'était moi, qui, qui, passait, par le résultat, en tout cas proclamé par la, la CENI. Donc, moi, je pense que c'est une posture euh, des hommes politiques euh, euh, euh, il n'y a, il y a que des instances. Maintenant, la Cour constitutionnelle est censée, en tout cas, valider. Moi, il dit il va faire le recours légaux. Donc, la Cour va examiner justement ces, en tout cas, ces éléments, avec les preuves, c'est les preuves, je pense qu'on va tenir compte, annuler en tout cas là où il a dit que ça n'a pas été régulier. Donc, mais je constate que c'est des postures des oppositions africaines on a vu au, Gabon, on a vu à la RDC, on a vu en Côte d'Ivoire, on, a vu un peu partout les oppositions en Afrique. Il y a que souvent, vous avez vu, nous sommes dans ce pays-là. Quand la CENI donnait le, résultat, nous sommes dans tous les groupes, on voyait comment les gens partageaient le, résultats. résultat. Mm. Il a fallu que justement euh, la tendance change pour que les gens considèrent que à partir de ce sens, la CENI n'est pas en train de faire du bon boulot. Soyons honnêtes euh, euh, je pense que ce qui vient de se passer, je m'inscris en faux contre ce que Mouna a dit. Il y a bel et bien euh, des éléments que je l'ai dit au début. Cette situation était prévisible. Parce que tout simplement, le discours, moi j'ai suivi le moment quand il avait voté, son discours dit clairement que cette fois-ci, quand on décrypte, si je ne gagnais pas, la situation ne va pas être normale. Donc, vous voyez, moi, je pense que, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin de euh, ce forum, pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour un retour au calme C'est vrai, vous euh, avez parlé des recours. Ce qu'il faut faire, euh, c'est d'abord doivent être, être examinés par la C'est d'abord respecter mhm. la République. le pouvoir se gagne par les urnes. Et aussi, en démocratie, il faut prétendre, en tout cas, à son, son, si à forfaiture, en tout cas, si on a une prétention ça se passe par, le, par la voie euh, légale. Ce qu'on a constaté, ce qu'on observe en tout cas ici, à Namé, et malheureusement jusqu'ici ça, se limite au, niveau de Namé, c'est que je me dis que euh, aujourd'hui, peut-être les autres sont au pouvoir, demain vous allez être au pouvoir, donc faisons attention. Et nous sommes non seulement euh, vraiment la question de l'unité nationale. Et c'est pourquoi moi je pense que ce qu'il faut faire, respecter les règles. Et je me dis que désormais, pour prévenir des situations comme ça, pendant la campagne, tout celui qui aura failli, en tout cas qui a violé le code électoral, doit être sanctionné ici et maintenant. Il faut ça, euh, il faut mettre ça en discussion sur la table. Des on, vous a bien, on vous a bien compris, Hussein comment faire pour que le peuple nigérien reste fort face aux défis de l'heure et qu'il avance vers le développement dans l'unité et la cohésion sociale et que ce scrutin ne remette pas tout en cause, justement. Bon, <clears throat> Michel, peut-être y a un peu une réponse à ma préoccupation. Le Niger, là, c'est combien de communes 266. 266. À l'occasion de l'enrôlement, il y a combien de communes qui n'ont pas été enrôlées ça, il faut aller dans les statistiques. On n'a pas je les demande. On n'a pas les, chiffres parce qu'on risque, risque, de se tromper. Dans la région de Tilabéry, il y a au moins 8 où on dit on n'a pas pu à cause de tel problème, tel problème. On n'a mhm. pas dit aux gens que ces communes-là ont été. Dans la région de Tawa, je ne sais pas, c'est deux communes ou une commune. Mhm. Maintenant, on dit c'est le résultat de 266 communes. À quel moment on a recensé ces communes qui n'ont pas pu faire l'objet d'un relement, les populations de ces communes là Ça dit. Quand on euh, voit au niveau de certaines communes, l'enrôlement était partiel, la CENI avait dit en fait. Oui, mais C'était des enrôlements partiels parce qu'il y a des zones qui n'étaient pas entièrement prises en compte. On ne doit pas dire la commune. Il y a aussi également. il y a des délocalisations pendant l'enrôlement. S'il te plaît, c'est quelque mhm. chose, je suivais un peu comment ça s'est déroulé. Moi, ce que je veux. C'est que je veux. Pour qu'on puisse faire une démocratie normale. Quand on est en position, la démocratie, c'est d'abord le respect de la minorité là. Mhm. La minorité compte parce que c'est la minorité qui peut faire l'alternance demain. C'est pas parce que je suis en position de pouvoir, je vais me mettre en position de pouvoir pour changer les choses en fonction de ce qui m'arrange. Pour dire que c'est la loi. Les textes de loi, en ce qui concerne les processus électoraux, c'est des textes de manière consensuelle qu'on modifie. C'est bien beau de dire, il faut respecter. Mais mm. les textes sont faits par des hommes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque Ce qu'il y a lieu de faire, vous voyez, vous voyez, de 2016 à aujourd'hui, c'était carrément la division, n'est-ce pas Personne ne peut contester cela. Le Conseil national de développement politique a fonctionné de manière tranchée, avec juste et tous les actes qui ont été posés pendant cette période jusqu'à ces élections, et jusqu'au deuxième tour, c'était des actes qui étaient posés de manière unilatérale, sans l'implication si c'est ça la démocratie pour moi, moi je dis, ce n'est pas la démocratie. À présent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, à en sorte il faut faire en sorte que, le plus vite il faut faire en sorte que, que la personne, les personnes un peu exclues, les minorités, il faut prendre tout ce beau monde-là en compte. Ce n'est pas parce que je suis en position de pouvoir que, il faut créer les conditions d'un dialogue. Mhm. Accepter que l'autre, c'est pas la démocratie ne suppose pas forcément le vote. C'est pas forcément, il faut voter pour. Non. Quand il faut trouver un consensus par rapport à un problème donné, pour éviter, parce que la minorité peut faire mal. Merci beaucoup, on vous a compris. On a vu ce qui est en train de se passer dans d'autres pays où c'est des minorités qui sont en train de mettre mal à l'aise. Il faut qu'on évite que ce pays-là, on en arrive là, parce qu'on a vu, regardez au Mali, ce qui se passe. On, vous a bien compris. Ah, il ah, faut ah, donc renforcer le dialogue politique. Il faut aller vers euh, l'apaisement. on vous a bien compris. Par le dialogue. Il faut accepter le point de vue de l'autre et trouver la juste, mesure. Le mécanisme. le euh, Merci, c'est bien compris. Il faut juste euh, rappeler avant de clore ce forum de la presse que la Cour constitutionnelle est la seule institution qui a le dernier mot par rapport à ces résultats. La Cour constitutionnelle, cette juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il faut donc environ un mois. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous étions accompagnés de LAJ Mohamedou Souleyman du journal en ligne Niger Inter. Maïmouni Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Nous disons merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers euh, auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de Studio Kalango grâce auxquels vous nous suivez. C'était Michel Deji à la modération, Amina Hassan à la technique et Mustapha Yuba à la régie vidéo. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et au revoir.